Signe Presse à la présentation Aïcha Toupa. Euh, bonjour. Le rapport de la DPE, l'arrestation du directeur général du premier Sénégal, la visite du vice-président de la Gambie sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce mardi. Indice de la crise russo-ukraine, les tensions géopolitiques, la cour du pétrole, risque lié à une baisse de 50% de la production du pétrole et du gaz, explique le journal Observateur qui met à sa une le Sénégal et le piège d'un nouveau choc économique. Le journal traite également l'arrestation du directeur général du premier de Sénégal à l'aéroport avec une fraude présumée portant sur une somme de 12 milliards de francs CFA. Le journal Libération revient plus largement sur cette affaire de fraude fiscale et de détournement de deniers publics. 12 milliards de francs CFA volés a fait savoir le journal. Le directeur général Joris Dutel, cueilli à l'aéroport international Blaise Diagne par la DIC depuis 2021, la société de Paris Foot en ligne encaissée et détournée systématiquement les TVA renseigne le journal. Le journal en s'intéresse à la dissolution de l'Assemblée nationale, Diomaye saisit le Conseil constitutionnel. Le président souhaite connaître la date opportune pour dissoudre l'Assemblée nationale. Babacar Gay du mouvement Manko Moutou estime que cela ne peut se faire qu'à partir du 13 septembre 2024. Sheriff Montey, ancien député, donne une autre version. Selon lui, la dissolution de l'Assemblée nationale devrait avoir lieu au delà de janvier 2025. Le journal Wolf Quotidien a ce projet dans les prochaines législatives et titre à sa une. Le projet à l'épreuve des listes. Le même journal traite dans ses colonnes la situation socio-économique du pays et la réaction de Bougan Gay, leader de Gumsabop. Le quotidien Tribune abonde dans ce même siège et revient en première page. Sonko parle d'état de ruine. Bougan exige la vérité. Comment peut-il déclarer avoir hérité de Sénégal en ruine alors que le FMI nous parlait récemment de surfinancement Comment en 2023 le Sénégal a-t-il pu se retrouver parmi les 10 pays ayant capté le plus d'investissements à l'étranger s'interroge le leader de Gumsebop dans les colonnes du journal Tribune. Ce même journal traite la polémique sur le voile. Éviter que la cohésion sociale ne mette les voiles nous met en garde le journal abordant sur cette même question le journal Sud Quotidien met à sa une l'État en temps miné selon Aluntine d'Africa Jom Center. L'État doit absolument veiller à restaurer la sérénité et à privilégier le dialogue. Le journal Besbi Le Jour parle des retrouvailles entre Girassi et Abbé André Latir Comme ils se retrouvent, s'exclame le journal qui rappelle qu'en 2009, Kabé Latir avait réagi à l'offense de Wad contre l'Église. Et c'est le ministre de la Communication qui était au front 15 ans après tire attaque et le ministre de l'Éducation réplique. La Cour des comptes dénonce le financement par l'État du Sénégal des travaux de voirie non réalisés, fait savoir à le journal Le Quotidien, selon qui Abdoulaye Silla serait dans une voie sans issue. Le quotidien national Le Soleil revient sur la rencontre entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le vice-président de la Gambie. L'axe Dakar Banjul au beau fixe, le Premier ministre Ousmane Sonko et le vice-président Mohamed Diallo pour une revitalisation du secrétariat permanent. Camion sénégalais bloqué à la frontière. Promesse de résolution nous rapporte le journal. Limogeage du directeur de l'ONAS. Les partisans de Dr Serjeng à Debal. Ils accusent les est tapis dans l'ombre, alliée de la coalition Jomai Président, pouvons-nous lire dans Les Échos, le journal Wii Sport fait focus sur Serra en demi-finale 400 mètres hommes. La finale d'abord s'exclame le journal. Le journal Record revient sur une haute finale opposant espagnol et Français. L'Égypte et le Maroc tombent. Dalena Kijam, Yenekay, l'Uni rapport DPE, arrestation du directeur général du premier bête Sénégal, visite vice président Bougambi Gambie fii ci Sénégal lu jëm ci crise Russie ak Ukraine tension géopolitique waye itam lu jëm ci walu pétrole amudi ay risque yu jëm ci production bu pétrole lu toll ci cinquante journal L'Observateur ñëwaat ci la nga xamante rek loolu la ab piège économique bu réewum Sénégal nar a journal bi délu ci wat ci arrestation bu directeur général bu premier bet Sénégal foofule ci aéroport international Blaise Diagne ci ab fraude bu toll ci fukki milliards ak ñaar yéenekaay bi bile di libération dellu ci waat ci li gëna a yaatu ci le mbir lu tollu si fukk ak ñaar ci suñu milliards amu jëm ci walu fraude fiscale ak détournement de deniers publics mom directeur général du juris du tel ñu teg loxo le ci aéroport international Abu Blaise Diagne liko dalé atum 2021 ba léegi ni tay société Paris Foot en ligne le di wey di encaisser lu jëm ci walu TVA wey di ko détourné loolu yéeni kaay bile di libération daal di xamle di enquête dellu ci si de solution bo assemblée nationale président de la république de Bassirou Diomaye Faye jébbal ab conseil constitutionnel ngir xam le ban date la dissoudre assemblée Babacar Gay, Bou mouvement Manko Moutou, Mom, di xamle ne mënuñoo assemblée te yegguñu ci fukki fan ak ñett ci septembre atum 2025 Benen xalaat le Kidi, di Chérif Montey di ancien député daa am Mom jàpp na ni assemblée nationale mënuñu ko dissoudre te yegguñu ci weeru janvier atum 2025 yéenekaay bile di Walf Quotidien moom ñëwaat ci élection législative yooyu le ñu dégmal muy xamle ni boo moywul rek projet bu Pastef dina rek am ay jafe-jafe jëm ci wàllub liste yooyu le journal boobule dellusiwaat ci yéenekaayam ci kaddu ya nga xamante ni njiital gam sa bopp daan na ko yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko moom weddi ba set wecc la Ousmane Sonko ne fekkuñu dara ci gafaga réew mi moom Bougane Gueye di xamle ne xel mënul nangu ñi fi ne tey ne fekkuñu dara ci gafaga réew mi ca beneen wàll ba te ñu génn de Sénégal dafa am lu jëm ci wàllub surfinancement ci atum 2023 Sénégal bokkon ci fukki réew ya nga xamanteni ñom ñoo gëna bénéficié ci investissement direct à l'étranger yéeni kaay bilee dellu siwaat ba tay ci polémique bu dox ci digënté premier ministre Ousmane Sonko ak ña féete ci jàngu bi ñeel lu jëm ci wàllub ñenn ña nga xamanteni dañoo dem ci l'école yi rek té duñu muuru ba tay lu jëm ci wàllu wowulé ki nga xamanteni rek moom moo di Alioune Tine Center la mu xamle mu di état bu Sénégal dafa war a def kéem kàttanam rek waxtaan ak ña nga xamante ni ñoom ñoo sekk mbir moomu delloowaat jàmm ci réew Sénégal la daal di xamle ci yéeni kay bile du Sud Quotidien yéeni kay bile di bës bi la jour moom dellu siwaat ci dajewaat ba nga xamante ni am na diggante Moustapha Guirassy ak Abbé Latyr Ndiaye ci atum 2009 kii di Abbé Latyr Ndiaye moom rek moo tontu woon maître Abdoulaye Wade ñeel offense jëm ci église bi ci atum 2024 fukki at ak juróom gannaaw moom Abbé Latyr ministre bi gàlloog wàllub éducation indi tontam ci walu wàllu woowule la yéenekaay bile di bés bi le jour daal di xamle. yéenekaay bile di le quotidien di xamle ne Abdoulaye Silla bu moyuwul rek dina am jafé jafé ci wàllub yoon ndax rapport Cour des comptes dafa xam ne nag état bu Sénégal dafa financé woon ay liggéey ya nga xamante ni mu ngi jëm ci walu ivoire yi te yooyu la liggéey ba tey dara amu ci yéenekaay bile di wiwi sport ci wat ci kii di Cheikh Tidiane Diouf wara amal demi-finale 400 mètres homme tey jile ci talata ji journal record moom dellu siwaat ci yoy les jeux olympiques ya nga xamante ni Maroc ak Égypte dañoo laj ci yoy les demi-finales Espagne ak France ñooy xëccoo boobule raaya. suñu presse vous est offert par Air